Dr. Sherwood Randall et General Townsend représentent la douzième délégation de hauts fonctionnaires américains de l'administration Biden-Harris à visiter le Niger et rencontrer le président Bazoum cette semaine. Aujourd'hui, avec le président Bazoum, nous avons discuté le sujet d'intérêt commun dans le cadre de l'approche 4D de l'ambassade des États-Unis au Niger, notamment les diplomaties, le développement, la démocratie et défense. Cette visite, qui pourrait sur des questions clés de notre partenariat en matière de sécurité, s'inscrit dans une série d'engagements diplomatiques avec le Niger, démontrant l'importance que le gouvernement américain accorde à cette relation. Nous continuerons de travailler ensemble pour trouver des solutions inclusives et équitables aux problèmes de sécurité ici au Niger et dans la région du Sahel. Ce faisant, nous pouvons tous affirmer que le Niger se lève. Donc nous l'avons euh, félicité pour euh, la situation démocratique historique entre lui et son prédécesseur. Nous avons aussi euh, discuté de notre engagement à avancer la question sécuritaire ici au Niger. Nous allons coopérer ensemble, le Niger et, les pays de la sous-région, et nous envisageons de continuer ce travail ensemble. Nous avons eu une rencontre vraiment excellente avec le président Bazoum. Donc nous avons discuté de la, de la situation sécuritaire euh, dans la région, l'instabilité sécuritaire ici au Niger. J'ai euh, dit au président Bazoum que euh, l'armée américaine s'engage à travailler ici, ici, au Niger avec, à côté de l'armée nigérienne.